Bonjour, c'est M. Saou, délégué médical euh, dans la zone de Thiès. Avant tout, d'abord, euh, on est au mois de janvier. Permettez-moi de vous souhaiter mes meilleurs bonnes années. Année de bonheur, réussite, prospérité, santé de fer, en tout cas à tout le monde. Et aussi, profiter de l'occasion pour présenter à ma voix, au nom de Werwerley, toute la communauté sénégalaise, au islamique et euh, aux nos frères maurits, nos sincères condoléances. Voilà. Et si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour organiser une journée de don de sang. Pourquoi Avant tout, d'abord, il faut expliquer que Verwele c'est un groupe de WhatsApp. Un groupe de WhatsApp composé des agents de santé, des citoyens lambda, mais aussi des étudiants en formation écoles de santé. Et aujourd'hui, si nous sommes là, quand même, c'est parce qu'on a constaté, dans le domaine de la santé, il y a pas mal de mots. Si vous prenez l'hôpital régional de Thiès, qui est la seule banque de sang, en tout cas dans la région de Thiès, il y a pas mal de fois où, une fois arrivé là-bas, le sang est en rupture. On l'a constaté en tant qu'agent de santé, on l'a constaté en tant que citoyen lambda on s'est dit que quand même, c'est à nous de régler ce problème-là. Comment En organisant des dons de sang avec nos partenaires. Aujourd'hui, nous sommes là à l'InfoSud, qui n'est même plus notre partenaire, mais qui fait partie des membres de la famille, parce que si vous prenez notre groupe WhatsApp composé des élèves et personnels d'InfoSite, donc nous ne pouvons que dire que l'école-là est vraiment une famille de, notre groupe WhatsApp euh, euh Family nous sommes là aujourd'hui et je vous dis, si on arrêtait là même, c'est déjà extraordinaire parce qu'on a dépassé largement ce qu'on a ramené sous le contrôle de notre très cher Silla qui est là. Et aussi vous remercier encore une fois et vous annoncer que c'est quelque chose qu'on va continuer avec les autres établissements de la santé, mais avec d'autres structures telles que les sapeurs-pompiers, police et autres. Bonjour. Tout d'abord, je voulais au nom de l'administration de l'hôpital, aussi au nom du chef de service de la Banque des sang, remercier tout le groupe les familles, plus particulièrement M. Diagne, Mme Fale, M. Sow, qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette journée, que euh, que cette collecte de sang soit une réussite. Comme vous le savez, l'hôpital régional est, souvent confronté à des déficits de sang. Nous couvrons pratiquement 9 districts euh, au niveau de la région de Thiès et nous avons besoin aussi en plus de 6000 postes de sang par an. Actuellement, nous sommes à 5000. Donc, il nous reste un gap de 1000 postes à réserver. Donc, euh, <laughs> si, nous avons des, médecins, des agents de santé, des infirmiers, des, étudiants, des étudiants qui sont mobilisés pour venir en aide à la la Banque de sang, nous, ne pouvons que nous en réussir. Vraiment, merci beaucoup hein, pour cette journée, pour cette journée, qui, pour cette euh, première journée aussi, qui a été euh, aussi une réussite. comme vous le savez aussi, les groupes WhatsApp, d'habitude, euh, se limitent à des, à des messages vocaux. D'habitude, c'est virtuel. Ici, nous avons vu un groupe WhatsApp qui, est aussi dans l'utilité. Ils sont, ils sont venus, ils sont organisés, journée de, de don de sang pour les malades. Et merci beaucoup. Et aussi, nous, euh, nous leur demandons aussi de le réitérer presque chaque, euh, chaque mois ou 4 mois, de faire au moins de faire 4 jours de, don de sang pendant l'année. merci beaucoup. Hein. Euh, monsieur Malamissa, directeur général de l'Infocyte, rendons grâce à Dieu de nous avoir permis de participer à ce don de sang qui est une action citoyenne très importante organisée par le groupe Werwerle. Nous profitons de l'occasion pour remercier les dirigeants et l'ensemble des acteurs, en tout cas les membres du, groupe Werwerle, pour cette initiative citoyenne. Et c'est parce que justement, la direction de l'infocyte, plusieurs de ses membres et plusieurs étudiants sont déjà membres de ce groupe. Et lorsqu'ils sont venus nous voir pour nous parler de ce groupe et de, ses, ambitions, nous avons tout de suite adhéré à cela. Parce que ça correspond à notre vision de formation qui est de lier la formation à l'emploi. Et depuis plusieurs années, nous sommes là-dedans parce qu'à chaque fois que le district mène des activités de santé publique dans la ville, InfoSite est toujours associé à cela. Euh, la dernière manifestation en date, c'est l'année passée où on a organisé à Darussalam, le poste de santé de Darussalam, une journée euh, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose. Nous félicitons le groupe Web pour cet acte citoyen. Parce que ce n'est plus normal à l'heure actuelle qu'on perde la vie parce qu'on n'a pas de sang. Alors que le potentiel est là pour donner suffisamment de sang à l'hôpital pour que cet hôpital puisse faire son travail correctement. Donc si vous prenez cette initiative, on la salue et on vous encourage en cela. Et certainement d'autres actions de santé publique, vous allez y engager et nous sommes avec vous pour vous accompagner en cela. En tout cas, nous remercions. L'hôpital régional de Thiès est notre, notre partenaire. Parce qu'actuellement, même nous avons des étudiants en stage clinique là-bas. On travaille ensemble avec cet hôpital. Donc toute l'activité que l'hôpital mène ou le district mène, dès qu'on nous sollicite, nous, nous engageons à cela. En tout cas, on vous souhaite bon vent et que Dieu vous garde. Waouh, vraiment aussi aussi aussi. ñu leen di jaalee aussi sunu xalif bi nga xamante ni aussi dëdd na ñuy ñaan yàlla ñu dëdd jàmm ak salaam et ñëpp ñi nga xam aussi participé nañ ci don de sang nga xamante ni aussi sunu devoir la parce que tey comme ni ñu ko waxee wér-wér la benn groupe la boo xam ni ginnaaw ñun ba ñu wéree war nañu wéral ñu wérul dañu may rawatina ci hôpital yi te muy aussi benn fléau bu doy waar ne actuellement ci banque de sang yi ci ñàkkum deret bi fa am vraiment ñuy lancer aussi appel à tous les ñu jóg aussi li wér-wér la famille def

leen di ñaan pour ñu and ak li waa INPOSID def tay en collaboration avec Wër Wër les familles du ko defal hôpital régional bu Thiès ñuy ñaan yalla sax yalla aussi katanal ñu ba ñu mëna am toujours katan buñ ko défé et di remercier aussi ñëpp ñi ci participer wona ah, ci don de sang bi vraiment en commençant vraiment du ma ko bàyyi di wax Wër Wër les familles muy benn groupe bo xamni aussi constitué constitué na ay euh, médecins ay infirmiers ay. ay assistance en infirmerie constitué aussi ay délégué médical ak ay professeur de santé bon rawatina aussi ñi nga xamantene tay tey collaborateur la ñu ñuy waa banque de sang yi aussi alhamdulilah ba ñu nekkee aussi ay membre wër wër les familles avant don de sang yi di am ñu leen jaajëf jaajëfal bu baax di wax ni vraiment na ci ñëpp japp pour ñu sauver ay vie merci alaykum salaamaaleykum salaamaaleykum euh, ma ngi tuddu madame Ndiaye boba di membre ci wér les famille plus connu sous le nom de Badjan pour élèves yi nga xamanteni ñom ñoom étudiants yi ñëw hôpital souvent je me présente bien ma hôpital régional au niveau des urgences kon journée bi bu défé don de sang dina nek journée bo nga xamanteni si bu am importance parce que urgence nek na service bo nga xamanteni si dafa bëri ay accidenté te souvent vous commandez, commandé accident, am ben accidenté commandé ji sang rek dañuy wax né groupe bi amul groupe bi am donc ay famiyam il faut ñu joggé fu sori ñew pour maye deret lool nak mo taxone lo gëna ëpp ñu def journée bi pour dimbalé hôpital bi dimbalé district yeneen yi nga xamné fa la ñu wutee sang pour lool parce que barki dem rek si je me rappelle amna ku joggé hôpital 10e soxla won deux poches de sang il a fallu ay parents ñu joggé ci village bu sori sori pour ñew diko may lool nak gëna pousser groupe wér-wér le ñu def don de sang bi pour sensibiliser dimbalé nit ñëpp ci affaire manque dara Kewo ciy woo bépp personnel de santé médecin professeur infirmier ñëpp ñu ngi leen ciy woo képp koo nga xamante ne si yaa ngi ci santé bi rek wala ngay tourner autour de la santé ñu la ciy bëgg action surtout sensibiliser jakarta yi ak accident yi nga xam ne moo bëri biir lo nek nekk na loo nga xamante ne vraiment man lu ma tenir à cœur la kon nag maa ngi leen di sant di leen gërëm di ñaan ñëpp ñu ñëw rejoindre groupe bi ñu une famille la merci